Le forum district le forum district le forum district kalam Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes disponibles également sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème les préparatifs de la rentrée des classes pour les lycées au Niger. Quelle avancée Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre l'état des préparatifs de la rentrée scolaire 2019-2020 pour les lycées au Niger, les difficultés et les avancées enregistrées dans ce cadre. Pour ce faire, nous avons dans ce studio B Mahamadou Maïdaji, directeur général des formations, examens et concours au ministère des Enseignements secondaires. Mohamedou Maïdaji, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mokhtar et Issoufou Arzika, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, Issoufou Arzika, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord le ministre des Enseignements secondaires, Mohamed Sanoussi El Samoro, au sujet de l'état des préparatifs de la rentrée scolaire 2019-2020 pour les élèves des lycées au Niger. Le sous-secteur de l'enseignement secondaire a achevé l'année scolaire 2018-2019 avec un effectif de 718 995 élèves, dont 80% du premier cycle. Ils étaient répartis dans 13 805 salles de classe, dont 32,11% en payotte. Leur encadrement était assuré par 17 617 enseignants, parmi lesquels 62% sont des contractuels. Cet engagement sans faille des uns, doublé de l'esprit de sacrifice des autres, a permis de terminer l'année scolaire 2018-2019 dans un climat relativement calme. Pour cette année scolaire 2019-2020, une cohorte de 203 781 élèves correspondant au nombre d'élèves de CM2 ayant satisfait aux exigences d'entrée en classe de 6e et attendu au premier cycle du secondaire. Pour le cycle moyen, près de 46 000 élèves correspondant au nombre d'admis au BPC session 2019 sont attendus. Conformément à l'engagement de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, celui de garantir une éducation inclusive et équitable, de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. Mon département ministériel a pris toutes les dispositions pour assurer une bonne rentrée scolaire et un bon déroulement de l'année scolaire qui commence. L'application du décret numéro 2017-935 du 5 décembre 2017 portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité la poursuite du processus de transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. C'est aussi dans le cadre des préparatifs de cette rentrée que plus d'un milliard deux cents millions de francs CFA ont été injectés sur ressources propres de l'État pour l'acquisition des manuels et fournitures scolaires permettant de doter chaque élève du secondaire d'un kit de fourniture. Cette rentrée scolaire 2019-2020 m'offre l'occasion de lancer un appel solennel à tous les acteurs du système éducatif nigérien en général et ceux du sous-secteur de l'enseignement secondaire en particulier afin d'œuvrer à l'édification d'une école stable et de qualité. Mohamedou Medaji, dans quelles conditions s'est déroulée la rentrée scolaire 2019-2020 lundi 16 septembre pour les élèves des lycées et est-ce que les enseignants étaient à leur poste Merci Monsieur Mokhtar de l'opportunité que vous nous offrez pour parler à vos auditeurs de la rentrée scolaire 2019-2020. Merci aussi pour que nous puissions avec euh, nos autres acteurs partenaires du syndicat que nous puissions ensemble parler de cette rentrée. Ça peut même être de façon contradictoire. Le plus important, c'est que l'auditoire comprenne que le 16, il y a eu rentrée et que le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour que cette rentrée se passe dans des meilleures conditions, mais que vos auditeurs puissent comprendre également le rôle des uns et des autres pour une meilleure scolarisation de nos enfants, parce que c'est ça l'objectif. Ça ne sert à rien que de dire tel ou tel est responsable, mais le plus important, que chacun apporte son concours, sa pierre à l'édifice, pour qu'ensemble nous puissions bâtir la classe école, pour que tous nos enfants puissent avoir une éducation de qualité. Ceci étant, par rapport à la rentrée, vous aurez dû en dehors des syndicats, en dehors du ministère, vous-même vous déplacer et dire vous-même à vos auditeurs ce que vous avez vu. Mais si vous... Nous avons des correspondants un peu partout au Niger. Ceci étant, comprenez... Comprenez, ceci étant, comprenez que quand on parle de la rentrée, c'est un certain nombre de dispositions concernant des éléments bien précis. Ces éléments sont d'abord les enseignants. Il ne peut pas y avoir rentrée sans les enseignants. Ces éléments, c'est les infrastructures. Il ne peut pas y avoir rentrée sans les infrastructures. Ensuite, les fournitures. Ensuite, le personnel administratif et évidemment les élèves. On va prendre un à un ces éléments. D'abord les enseignants. Les enseignants, à plus de 20%, c'est des fonctionnaires. Un fonctionnaire doit être à l'heure à son travail. Les autres sont contractuels et même contractuels, ils ont le devoir d'être à l'heure à leur travail. C'est dans le contrat dit comme cela. OK Donc, de ce point de vue, jusqu'à preuve de contraire, tous les enseignants étaient à leur poste. C'est vrai, nous avons dans beaucoup de cas, le ministre vient de le dire, beaucoup de paillotes et ça, il va falloir les construire et nous pensons que c'est pour les élèves du premier cycle du secondaire. Donc, par rapport aux classes, nous supposons que pour le lycée, le problème ne se pose pas. Le personnel administratif, c'est un chef d'établissement, c'est surveillant, c'est les censeurs. Les textes les obligent d'être à leur poste et à l'heure. Donc, en principe, ils sont à leur poste. L'autre élément, ce sont les élèves. Tous les élèves du lycée, en principe tous, mais particulièrement ceux de première et de terminale, doivent être également dans leur classe parce que officiellement, tout le monde sait, parents, élèves, enseignants, tout le monde sait que la rentrée est prévue le 16. Donc, ils sont informés, ils doivent être en classe. Mais du point de vue des informations que j'ai eues, et dans quelques cas où j'ai pu même vérifier, puisque même ce matin avant de venir, j'ai passé dans un lycée, effectivement, dans certains cas, les élèves venaient timidement à l'école. Évidemment, ça n'a rien d'étonnant et ça n'empêche pas que nous disions de notre côté que la rentrée a été effective. Du point de vue des fournitures, nous n'avons pas l'ensemble des fournitures prévues, mais nous l'avions clairement dit, le ministre a visité les stocks, les directeurs régionaux nous l'ont confirmé à notre dernière réunion des cadres, c'est que nous avons un stock suffisant pour démarrer la rentrée. Et concrètement, quand j'ai demandé à Tawa, ils ont pu donner six cahiers aux élèves de terminale, cinq cahiers aux élèves de première, parce que les élèves de seconde ne sont pas encore rentrés en classe, ils sont en train de faire leur choix qui va faire euh, série C, qui va faire série A, etc. C'est pour dire que toutes les dispositions ont été prises pour que la rentrée des lycées soit effective le 16. En un mot, les enseignants sont sur place, les élèves viennent timidement, mais ce qui est certain, aujourd'hui même, certains sont en classe. Déjà, hier, beaucoup d'enseignants étaient en possession de leur tableau de service et qu'aujourd'hui, ils peuvent déjà démarrer les cours. Et si les cours peuvent démarrer aujourd'hui, nous disons que la rentrée a été effective au niveau de ces lycées. Maintenant, évidemment, plus on avance, plus les enfants qui ou étaient en voyage ou ne se sont pas véritablement préparés vont prendre cours et d'ici la fin de la semaine, c'est certain que nos classes seront pleines et les enfants recevront les cours normalement. Issoufou Arzika, votre commentaire après avoir écouté le ministre des Enseignements secondaires Mohamed Sanoussi El Samarou. Samaro. Monsieur, monsieur Mokhtar, merci, au studio Kalangou qui nous donne l'occasion, à des pareilles circonstances, de nous exprimer et de donner notre point de vue docteur euh, direct de notre grand frère, <laughs> donc représentant le ministère, et souvent dans des avis convergents et il arrive aussi que ça soit dans des avis donc euh, contradictoires et même contraires. Alors, euh, en écoutant le ministre, d'abord c'est un discours limpide que j'ai assez apprécié. Tout est clair là-dessus. Du point de vue des chiffres, ils se sont, ils se sont assez renseignés parce que c'est qui les gère. La première observation que j'ai faite à l'égard d'un ministère que j'ai beaucoup apprécié tout le temps, c'est que de plus en plus, il, il s'éloigne des partenaires sociaux que nous sommes. Ce ministère en tout cas, une posture aujourd'hui que nous n'apprécions pas beaucoup, alors que nous avons, fait, nous avons toujours fait du ministère d'enseignement secondaire un exemple de partenariat social. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, les partenaires sociaux que nous sommes, en tout cas, sont un peu ignorés. Voyez-vous, de tout temps, nous avons accompagné le ministère de l'enseignement secondaire dans le lancement des examens, dans aussi eh, la préparation de la rentrée à travers un cadre de concertation du MES qui malheureusement aujourd'hui ne se réunit plus. C'est comme ça que nous avons appris, comme tout le monde, que le lancement de la rentrée aura lieu à Gadès. Alors nous ne savons pas si peut-être il y a eu une préférence d'acteurs sociaux pour accompagner le ministre. Je n'ai pas pu suivre ça à la télé, mais le DG est là peut-être pour nous renseigner. C'est un cri de cœur. Je crois qu'une rentrée partagée vaut mieux qu'une rentrée unilatérale. Maintenant, même si nous étions là, ça n'empêche pas quand même de dire le, point de vue critique que nous sommes en devoir de livrer face à l'opinion. Voyez-vous, le ministère de secondaire, euh, le grand frère lui-même, il dit en principe. Oui, en principe, c'est plus prudent de le dire parce que le ministère, en tant que gérant du système, a fait ce qu'il a à faire. Il ne fait qu'attendre les enseignants, les élèves et tous ceux qui suivent pour être euh, à l'école et avoir une rentrée effective. Malheureusement, ça fait des années que je ne sais plus ce qui se passe on a beau lancer l'appel pour que les préparations de l'année ne se suivent pas pour se ressembler, ben ça se suit, ça se ressemble et apparemment hein, il y a eu un manque d'intérêt assez considérable auprès des acteurs par rapport à la rentrée. Il y a pas mal d'enseignants qui ne sont pas sur place, il y a les élèves parlons pas. les affectations, ça fait pas longtemps que c'était sorti et les enseignants n'ont pas eu le temps de se déplacer pour aller dans leur poste. Alors que la rentrée étant prévue pour euh, le, le 16, on aurait pu prendre les dispositions nécessaires pour faire la commission d'affectation très tôt et permettre à chaque enseignant de savoir là où il va. Maintenant, toujours dans le cadre des enseignants, la question du paiement des salaires attend. Le ministre l'a dit, 62% des enseignants sont des contractuels. Or, vous le savez, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à payer les pécules et beaucoup de ces contracteurs-là n'ont pas eu leurs pécules. Demandez-vous comment ils vont faire pour aller sur leur terrain. Or, on a dépassé le 8. Ces 8-là, qui en principe nous donnent droit à aller en débarrage et nous donnent la position d'être dans une posture légale et de ne pas honorer notre, notre engagement. On n'est pas tenu de travailler lorsqu'à partir du 8, on ne paye pas, mais bien sûr en respectant les dispositions à prendre par rapport à l'ordonnance 96 portant droit de grève et au code de travail, parce qu'il faut toujours un préavis pour observer un arrêt de travail. Le sacrifice a été énorme pour les enseignants, pour offrir à l'État quand même un peu plus de 10 années stables qui n'ont pas porté le fruit. Je crois que je crois qu'on reviendra là-dessus. Donc, le gouvernement et le ministère des secondaire, même si Ivan nous dire que ça ne dépend pas de lui, le paiement des salaires, non. Nous, nous continuons à acquiser notre titre lorsqu'il n'y a que les enseignants qui sont mal payés et que malgré toutes les luttes que nous faisons, nous ne sentons pas souvent la présence de notre administration à nos côtés pour faire en sorte qu'on paye les enseignants comme on paye tous les autres salariés à la fin du mois. Si tel est que on reconnaît Aujourd'hui, c'est sont les contractuels qui font le système éducatif nigérien. Je crois qu'il faut régler rapidement et urgentement cette question du paiement à temps des pécules. Sinon, tout autre propos sur la priorité qu'on constitue l'école pour nous reste un demi-propos parce qu'il n'est pas encore complet du point de vue de l'acte. Maintenant, du point de vue des infrastructures, il y a des aléas qui ne dépendent pas du gouvernement, qui ne dépendent pas du ministère. Les classes en payotte, il faut bien que les tiges soient mûres, il faut bien que les espaces soient dégagés et tout ça. Bon, ça, c'est pas le gouvernement qui fait mûrir. Le directeur général l'a précisé, il dit que pour les lycées, le problème ne se pose pas. C'est certainement dans les collèges que ce problème se pose. Euh. Encore faut-il qu'on s'assure que tous les lycées, y compris ceux qui sont dans certaines zones loin des grandes, grandes régions, sont dotés d'infrastructures euh, définitives. En tout cas, je crois qu'elle va nous répondre. Je ne le sais pas. Je n'ai pas les statistiques sur les infrastructures. Mais pour que cela soit euh, effectif, il faudrait que tous les lycées, euh, notamment, effectivement, soient dotés d'infrastructures en matériaux définitifs qui n'ont pas besoin de réflexion, peut-être juste d'être balayés. Maintenant, dans quelles conditions aussi les enseignants et les élèves partent enseigner La réponse sera donnée par le DG. Est-ce que toutes les classes sont équipées est-ce qu'encore au lycée, on n'a pas d'élèves qui s'asseyent à même le sol pour prendre cours En tout cas, c'est des questions auxquelles euh, nous ne pouvons pas toujours répondre. Mais pour moi, la rentrée n'est pas effective. J'ai fait le tour de quelques établissements. Il y a là où j'ai trouvé, en tout cas, plus de 90% des classes qui sont vides. Monsieur le directeur général, euh, vous pouvez lui répondre Non, d'abord, par rapport aux élèves, euh, par rapport aux classes qu'il a trouvées vides, ça c'est lui qui est responsable de ses propos. Je ne sais pas quel échantillonnage il a fait pour dire que 90 des classes sont vides. Un, deux, trois établissements, c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'est pas valable du point de vue statistique. Mais ce qu'il faut clairement dire, c'est que d'abord, du point de vue paiement de salaire, parce que c'est l'aspect le plus important. Tous les fonctionnaires sont payés. Il n'y a pas de raison qu'un enseignant, si maintenant il dénonce qu'il y a des fonctionnaires qui sont payés et qui ne vont pas à l'école, ça c'est le SG qui les dénonce et là c'est une faute très grave. Maintenant, pour ce qui est des contractuels, effectivement, dans certains cas, certains n'ont pas été payés. Quelqu'un qui travaille, il faut le payer s'ils n'ont pas été payés jusqu'au 8, effectivement, la Convention leur permet effectivement selon le respect, par respect de l'ordonnance, d'aller en grève. Ça, c'est tout à fait normal, ils peuvent le faire. C'est dans leur droit. Et ça, le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour payer les pécules des enseignants. C'est vrai. Vous voyez, il y a des retards dans certaines régions. En le gouvernement vous dira que à partir du moment où le ministre des, Finances donne instruction à toutes les régies de payer, pour le gouvernement, le problème, et lui, il le sait, c'est réglé. Maintenant, dans certaines régies, effectivement, il y a des problèmes de liquidité qui font que ça peut prendre des retards de 2, 3, 4, voire plus de 5, 5 jours de, de retard de paiement. Et là, ces retards-là, normalement, sont compréhensibles et si ça dépasse le 8, normalement aussi, ils sont en mesure de réclamer leur salaire. Mais le gouvernement prend toutes les dispositions pour que nous n'arrivions pas à ce stade-là. Donc, quand ils sont payés, ils doivent être en classe. Il n'y a rien à faire. Ensuite, par rapport aux élèves des lycées, que je sache, il n'y a pas d'élèves de lycée sans table-banc qui sont dans les classes de paillotes. Nous prenons toutes les dispositions pour que les élèves de lycée notamment, et c'est peut-être même pas très correct, <laughs> bon, mais dans la plupart des cas, ce sont nos élèves de 6e, 5e qui en pâtissent et qui sont dans les paillotes, et souvent 3 à 4 sur une même table, ou même euh, dans certains cas sans table. Mais ce n'est pas le cas dans les lycées. Dans les lycées, nous avons suffisamment d'infrastructures pour accueillir tous les élèves des lycées. En dehors des cas de Niamey ou dans certains établissements qui ont connu des incendies et où on a construit des paillotes pour recevoir ces, ces élèves-là. Mais sinon, et souvent, vous voyez, il y a des questions de, de transfert qui font que ça dépasse nos programmations. Nous, on peut programmer de, recevoir, par exemple, 5 secondes, mais les parents, et c'est leur droit, veulent que leur enfant aille dans tel, tel, tel, tel lycée et c'est un droit. Donc, nous, on a programmé tel nombre de classes, 5, mais voilà qu'avec des transferts, on se retrouve avec plus de 5 groupes. Quand on a plus de cinq groupes, évidemment, on ne peut pas ne pas trouver des solutions sur place. Et là, souvent, c'est des... Mais c'est vraiment des cas très, très rares où, quand vous prenez des régions comme Difa, des régions comme Agadez, des régions comme euh, Tawa, Tilaberi, nous n'avons pas ces problèmes de paillotes pour les lycées. C'est généralement à dans quelques établissements à effectifs très lourds, et à Zender également dans quelques établissements effectifs très lourds. Mais même là, des dispositions ont été prises pour que nous n'ayons pas de classes en paillotte pour les lycées. Maintenant, c'est pas fini. Par rapport au lancement de la rentrée, effectivement, d'ordinaire, nous le faisons avec tous nos partenaires. Et eh bien, cette année, c'était juste au vu du budget que nous avons et que c'est prévu à Agadez, c'est très loin même le nombre de véhicules à déplacer et nous avons dit puisque officiellement, vous avez bien vu, c'est l'ensemble des ministères en charge de l'éducation qui ont fait la rentrée hein, et c'est piloté par le ministère de l'enseignement supérieur. OK Maintenant, pour la rentrée au secondaire, le ministre a préféré lancer ça à Gadez et Peut-être que nos partenaires, <laughs> disons, nos partenaires n'étaient pas tout à fait là, n'étaient pas présents. Nous regrettons cela parce que c'est des partenaires avec lesquels on doit toujours travailler. Et comme il l'a dit, il y a un cadre de partenariat. Ce cadre-là, nous étions parmi ceux qui ont fait qu'il soit né et nous voudrons bien qu'on le garde parce que ce cadre permet le dialogue entre le ministère et les partenaires et nous permet de prévoir toujours à l'avance et comme ça, nous pouvons trouver des solutions ensemble sans qu'il n'y ait beaucoup de gravures. Je regrette que ce cadre-là est resté longtemps sans être euh, opérationnel. Et dès au retour, cette fois-ci, je poserai le problème de façon à ce que le SG puisse voir le ministre et que ce cadre-là vive et que tous les partenaires du l'enseignement secondaire se retrouvent autour d'une table, discutent de la rentrée scolaire, discutent de tous les problèmes pour qu'effectivement nous ayons une rentrée du 2 octobre très paisible et une année scolaire paisible parce que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des acteurs, c'est dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté nigérienne quels sont les défis de cette année scolaire dans le secondaire Les défis sont nombreux. S'il faut parler des défis, les défis sont très nombreux parce que d'abord du point de vue enseignement-apprentissage, les acquis de nos élèves sont très faibles. Il va falloir travailler dur, réfléchir dur avec tous les partenaires financiers comme acteurs de la société civile pour qu'ensemble nous puissions voir comment améliorer les acquis scolaires. Ça, c'est le plus important. Il faut qu'on trouve des voies pour améliorer les acquis scolaires de nos élèves. Le rendement est très faible. Ensuite, le besoin en enseignants. Nous avons besoin des enseignants professionnels. En fait, si nous avons de mauvais rendements, c'est parce que nous n'avons pas d'enseignants professionnels ou très peu d'enseignants professionnels. Tant qu'on va continuer aller dans le sens de la contractualisation ou dans le sens du recrutement des gens qui n'ont pas eu une formation initiale leur permettant d'aller enseigner, nous n'aurons pas de bon rendement. Donc ça, c'est un défi à relever, que nous puissions vraiment créer des centres de formation des enseignants où restructurer l'école normale supérieure de façon à ce que l'école normale supérieure ou les autres universités nous forment des enseignants professionnels pour pouvoir avoir un rendement de qualité. L'autre aspect, c'est que certaines de nos classes sont trop précaires. Il va falloir effectivement que nous songions à faire en sorte qu'il y ait peu de classes en paillotes parce que tant qu'une classe est en paillotte, les conditions de travail ne sont pas tout à fait eh, eh, bonnes. Et mieux, ça ne permet pas d'exercer la totalité du temps scolaire. La confection de ces paillotes peut durer jusqu'au novembre-décembre. La première pluie, ces paillotes sont défaites. Vous voyez, le temps d'apprentissage avec les paillotes est très limité. Il va falloir effectivement que nous réfléchissions pour trouver la meilleure façon d'avoir des classes en matériaux définitifs, peut-être pas à court terme ou à moyen terme, mais à long terme, il va falloir qu'on songe à avoir ces classes-là. Donc, le temps scolaire, il faut qu'on arrive à avoir suffisamment de temps scolaire pour que nous puissions exécuter l'ensemble des programmes éviter les lacunes et avoir de bons rendements. Ensuite, toujours dans les défis, vous voyez bien que la gestion, le pilotage, quand un établissement n'est pas bien géré, nous ne pouvons pas espérer de bons résultats. Il nous faut de bons gestionnaires d'établissement. Ça aussi, c'est un défi. Jusqu'ici, nos chefs d'établissement sont pris souvent sur le tas sont nommés souvent sur le tas, alors qu'ils ont une mission très importante. Un chef d'établissement qui n'est pas très conscient du rôle qu'il doit jouer pour le développement de son établissement et pour avoir des meilleurs acquis scolaires, pour avoir des meilleurs résultats en fin d'année. S'il n'est pas conscient de cette mission, évidemment, en fin d'année, vous n'aurez pas de bons résultats. Voyez que du point de vue pilotage, du point de vue acquis scolaire, du point de vue formation des enseignants, nous avons énormément de défis à relever et ça, nous ne pouvons pas le faire tout seul. Il va falloir effectivement en concertation avec tous nos partenaires financiers et acteurs de la société civile, que nous puissions vraiment nous mettre à table, réfléchir. Et nous avons fait déjà un certain nombre de réflexions lors de notre euh, dernière réunion des cadres et, à Maradi. Et nous avons fait suffisamment de recommandations et nous pensons que ces recommandations seront suffisamment partagées avec tous les acteurs afin que nous relevions effectivement ces défis-là y compris le défi de la gestion du management euh, oui, à l'école. quand vous avez quelque chose à ajouter oui, c'est par rapport aux conditions de travail des enseignants. C'est vrai, le ministère reconnaît qu'il a, qu'il a vraiment des, insuffisances, mais moi, je, reviens sur la question du salaire pour dire que eh, le gouvernement lui-même, c'est vrai, on a centralisé la question du traitement des pécules au niveau de la solde et nous étions partie prenante de cette idée. Nous avons même signé notre convention où c'était mentionné que la question des pécules, en tout cas, eh, va trouver une solution à travers la centralisation du traitement eh, des dossiers au niveau de la solde. Et voyez-vous, c'est fait, mais jusqu'ici, malheureusement, aujourd'hui nous sommes les 18. Quelqu'un qui n'a pas perçu son salaire le 18, on ne sait pas comment il gère sa famille avec un salaire déjà insuffisant. Le qu'il c'est déjà insuffisant. Dans d'autres pays, le pécule, c'est donné aux prisonniers, pas à des enseignants. On le donne insuffisamment et on ne le donne pas à temps. J'estime que ce n'est pas tolérable qu'on dise que pendant plus de 10 ans, en tout cas les autorités n'ont pas pu régler le problème du paiement à terme. Moi, depuis un certain temps, j'ai cessé de les comprendre. Et chaque seconde qui passe que la question est évoquée, je condamne le gouvernement. Il suffit de donner des ordres. Aujourd'hui, dès qu'il y a une urgence, on peut rapidement dégager de l'argent. Mais la question des salaires qui est un système qui est censé être huilé aujourd'hui, facile, n'est pas réglée à cette date. Les 18 nos camarades n'ont pas leur salaire et on les attend sur le lieu de travail. Le gouvernement ne donne pas toujours les, instructions pour payer à temps. Parce que même pour le secondaire, il n'y a pas longtemps que, que le virement a été fait qui fait le virement, qui, fait les AD, qui, tout ça là. Le processus s'est fait au niveau de la solde. Tant que la solde n'a pas libéré, les autres banques ne peuvent pas faire. Le retard au niveau de la banque, nous, nous pouvons gérer ça. Mais le retard au niveau du système, de la mécanique des ministères, ça, je crois qu'il n'y a que le gouvernement qui peut imposer un rythme. Et il peut le faire. S'il ne le fait pas, c'est que quelque part, il y a la mauvaise foi où il n'y a pas beaucoup d'intérêt qu'on accorde à cette affaire de paiement des salaires. Parce que les enseignants, ils ont cet instinct-là, dès que tu commences à aller en classe, tu n'as pas envie d'arrêter, sauf cas de force majeure, parce que ça devient ton affaire propre. Quand un enseignant prend une matière, ça devient une affaire personnelle. Et je crois qu'ils sont au courant de ça. C'est pourquoi souvent, bon, il y a un certain laxisme. Mais 2003 que le contrat a été créé, à cette date, ça fait 16 ans. On ne peut pas régler un problème depuis 16 ans. Non. Il y a quelque chose, mais je crois que les enseignants ont pris conscience. Les, enseignants ont pris conscience, monsieur le DG. Nous vous avons offert deux années stables, sans trop de problèmes. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas vous donner, continuer à vous donner carte blanche pendant que les enseignants souffrent. Vous avez, le gouvernement a imposé aux enseignants d'aller à Niger Post. Et on a trouvé une vache à lait qu'on ne nourrit pas, mais qu'on peut traire à volonté. Et c'est ce qu'a constitué cette grande masse du contractuel. Oui, nous avons aujourd'hui relevé les cotes de Niger Post, mais elle ne résout pas le problème. Nous, nous avons pensé qu'en allant à Niger Post, le problème du paiement allait être réglé. Mais il ne l'est pas, malheureusement. Et Niger Post dégage toute responsabilité par rapport, parce qu'elle ne paye que ce qu'elle reçoit. Elle ne paye que quand elle reçoit. Eh bien, voilà. En plus même du fait que les points de paiement se sont rétrécis, parce que Niger Post n'a pas autant d'agences que de, de payeurs au niveau des inspections et autres. Le point de, paiement euh, a été réduit. Du coup, les enseignants sont souvent coulochardisés. Il y a des moments où des camarades sont évacués dans les centres de santé à cause de ce qui se passe. Des camarades se cognent au niveau du paiement. Moi, je crois que nos ministères doivent aller voir ce qui se passe et que ce n'est pas normal qu'un enseignant qui est censé avoir une image de responsable, quand même, puisse arriver à ça. Et ça ne dit rien personne. Niger Post, en dégageant toute responsabilité, renvoie tout à l'État. Pourtant, quand nous avions rencontré Niger Post à l'époque, et eux-mêmes nous ont dit, bon voilà, c'est clair qu'avec eux, beaucoup de choses vont changer, mais malheureusement... je préfère SG, que vous vous appuyez sur le paiement des salaires, et que peut-être que vous puissiez dire à nos auditeurs exactement à la date d'aujourd'hui, voilà le nombre d'enseignants qui ne sont pas payés. Moi, avant euh, hier, j'ai demandé au DRFM, j'ai demandé au DRFM qui a demandé aux sources et qui m'a dit que toutes les instructions ont été données pour que les enseignants soient payés. Donc la responsabilité du gouvernement est à ce stade, je vous l'ai dit, dégagée. À maintenant, date, maintenant, on a donné les maintenant, quand sur le terrain, effectivement, il y a des problèmes où les enseignants ne sont pas rentrés dans leurs droits, ce qui est dommage. Je l'ai dit aussi, c'est dommage qu'ils ne rentrent pas dans leurs droits, mais quand il y a certaines difficultés de liquidité dans certaines régions, puisque ce n'est pas la totalité des enseignants, c'est dans certaines régions ou ou même dans certaines zones qu'il y a des difficultés de mobilisation des, ressources, ressources et que c'est juste un problème passager qui sera réglé dans le plus bref délai. Donc je suppose, monsieur le SG, camarade SG, je suppose que <laughs> normalement, vous pouvez patienter un temps pour que c'est parce que nous sommes dans la période de la rentrée scolaire. Et ça, je vous assure que le gouvernement ne badine pas sur cette question de rentrée scolaire et que toutes ces instructions-là pour payer les enseignants ont été données. Pas à Monsieur le député, pas à hein. Jusqu'à un délai dépassé, la totalité des contractuels n'était pas payé. C'est un constat quand même amer. Et cette affaire de Niger Post, j'interpelle les ministères de tutelle. Vous devrez agir pour mettre vos enseignants. Parce que nous ne sentons pas souvent nos ministères agir comme infusibles. Si, si vous étiez venu nous rencontrer, ah, si vous étiez venu nous rencontrer, si vous étiez venu nous rencontrer pour nous dire Kai, Vraiment, nous, cette affaire de paiement des salaires à la poste, au début, nous l'avions accepté, mais voici les problèmes que nous rencontrons par rapport au paiement des salaires à la poste. Mais là, nous, on vous écoute bien, on enregistre toutes vos doléances et on voit qui du droit pour trouver des solutions. Parce que je vous dis que entre vous et nous, c'est plus que du partenaire, c'est que c'est une famille même. Ah, c'est une famille. Mais avec des intérêts différents. et, On n'a pas d'intérêts <laughs> différents. si aujourd'hui il n'y a pas de classe, moi-même je n'existe pas. S'il n'y a pas d'enseignant, moi-même, je n'existe pas. On n'a pas d'intérêts différents. On a les mm. mêmes intérêts et il va falloir que l'école se développe pour que nous tous ensemble, qu'on puisse se développer. Il Issoufou Artika, malgré la calmie qui a caractérisé l'année scolaire 2018-2019, les résultats des examens du BPC et du baccalauréat n'étaient pas à la hauteur des attentes des acteurs de l'éducation. Comment expliquer cette baisse récurrente des résultats du BPC et du bac au Niger Cette question, elle, elle peut faire plusieurs débats. C'est un problème lointain. Ah oui, c'est un problème lointain. Chacun a un peu sa responsabilité, mais bien qu'on ne veuille pas le dire, la grande part de responsabilité revient bien sûr à celui qui a le pouvoir régalien de faire le système éducatif. Lorsque l'éducation réussit, on dit qui est-ce qu'on glorifie C'est l'État Merci. Mais quand ça ne marche pas, la chicotte est retournée vers les enseignants. Quand ça marche, c'est pas les enseignants, c'est l'État, c'est les politiciens. quand ça ne marche pas, c'est les enseignants. Oui, on les dit dans les discours, on les dit dans les discours démagogiques souvent. on les fait, on ne peut pas. Quand ça marche bien. ça marche bien, les enseignants ont toujours été. Quand ça crève l'œil, on ne peut faire, on ne peut que dire. Est-ce que c'est du fond du cœur Est-ce que les actes qu'on pose à l'endroit des enseignants traduisent ces félicitations Moi, j'étais J'aimerais bien finir. J'aimerais bien finir. J'étais surpris qu'il revienne sur cette question-là parce que en réalité, s'il a suivi de mon intervention, tous les aspects que j'ai évoqués, c'est pour revenir sur le, rendement, sur le rendement, à l'école, sur les acquis à l'école. Sauf que c'est un point de vue syndical qu'on demande maintenant. Laissez-moi donner mon, point de vue. <laughs> on n'est pas dans la même posture. C'est pourquoi j'ai dit. <laughs> allez-y, monsieur. On est dans la même famille. <laughs> Non, dans la même famille, ça c'est incontestable. Hmm. On est entièrement d'accord avec ça. Mais même dans la même famille, il arrive qu'on ne se comprenne pas. C'est voilà. les cadets qui sont gâtés. Ah non, non, non. Eh, on est très respectueux de nos mais, ils ont oublié ce qu'on a l'offre éducative qu'on a donnée aux aînés. Ils ne sont pas en train de l'offrir aux cadets. Voilà, c'est pourquoi il faut parler. En fait, moi, je crois que les paramètres qui ont amené à ça sont nombreux. Et nous, nous sommes heureux que euh, aujourd'hui, les représentants du ministère répètent ce que le Sénat a dit il y a plus d'une décennie de cela. Quand la contractualisation était venue, le Sénat a dit non à la contractualisation. On est parti dire aux jeunes on a même fait des missions à l'intérieur pour dire aux jeunes, le Sénat a dit non à votre emploi. On a déformé ce que nous avions dit. Non à la contractualisation parce que la contractualisation et le contractuel, c'est différent. le contractuel est, est un enseignant victime de la contractualisation, c'est-à-dire d'un sous-traitement. Les enseignants viennent, ils font le même travail à la fin pour que celui-là soit payé un billet et l'autre un demi-billet nous avons estimé au Sénat que ce n'est pas normal qu'il faut l'arrêter. On est parti nous vilipender. Nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, les ministères eux-mêmes pensent qu'il faut arrêter la contractualisation. Les contractuels eux-mêmes répètent ce que le Sénat a dit depuis plus d'une dizaine d'années que la contractualisation est une mauvaise chose pour vous et pour le système éducatif parce que nous, on fait la promotion de la qualité. Et voilà ce qui est arrivé. Ce n'est pas le fait que les contractuels ne sont pas des professionnels. Aujourd'hui, la majorité des contractuels sont des professionnels au niveau du primaire. Ils ont tous passé par l'école normale. Mais on n'est pas dans les conditions de donner le meilleur de nous-mêmes. La question du temps scolaire, quand le paiement n'est pas fait à temps, quand il n'y a pas assez, la célérité dans le paiement, il n'y a pas assez de points de paiement pour que les enseignants viennent 30 minutes maximum, une heure, tu as ton salle, tu es retourné en classe. Mais là, l'enseignant n'est pas fautif. C'est le gouvernement qui est censé arranger les choses de manière que l'enseignant soit dans son droit et retourner rapidement en classe la perte des temps scolaires. Ce n'est pas forcément les enseignants, tant qu'ils ne sont pas en débrayage, ce n'est pas forcément eux. L'autre aspect, c'est le pilotage. Mais le pilotage, ce n'est pas l'enseignant qui pilote le, système, c'est les autorités à travers leurs représentants. Je suis encore heureux d'entendre le DG parler de la gestion des établissements scolaires. Ça fait des années qu'au Sénat, nous avons dit qu'il faut amener une certaine stratégie de gestion des établissements scolaires parce que nous avons fait le constat irréductible suivant qu'il suffit de regarder le privé et le public. Vous prenez deux établissements pourquoi souvent le privé a plus de performances que le public C'est pas parce que les enseignants du privé, d'art auxquels les enseignants du public accordent leur temps secondaire pour enseigner, a plus d'enseignants de qualité, non. C'est les mêmes enseignants du public souvent qui se retrouvent dans le, dans le privé, mais c'est que c'est dans la qualité de la gestion des établissements scolaires. Or, cette thématique, ça fait longtemps que le Sénat en parle, même dans le cadre du cadre de concertation. En tant que représentant du Sénat, j'ai dit au ministre, mettez l'accent sur la gestion des établissements scolaires. Certaines pagailles qu'on constate notamment à travers le recrutement parallèle, l'investissement, les établissements sont devenus des vaches à lait pour certains chefs d'établissement parce qu'ils sont nommés politiquement. Ce n'est pas sur l'État, le terme que le DG devrait utiliser, c'est qu'on nomme les chefs d'établissement en fonction de leur coloration politique. On s'en fout de ce qu'ils peuvent faire. Non, pas en fonction de la coloration politique. permettez-moi de finir. dans la zone rurale, nous cherchons des gens pour les envoyer. Parce que ce n'est pas juste excusez-moi du terme. Parce que, non. comme on le dit, là où vous pensez que c'est juteux, là où vous pensez que c'est juteux, pas. Et je sais de quoi je parle. Là où vous pensez que c'est juteux. Mais les grands, les grands, c'est politisation de l'école. Et je vais vous dire, le Sénat a élaboré près de deux documents pour dépolitiser la, Comme ils sont allergiques au mot dépolitisation, voilà comment nous avons institué le document. Document portant sur les critères objectifs de nomination et d'affectation des enseignants à tous les niveaux de responsabilité. Ce document laisse sommeil au MEP jusqu'ici. Nous avons voulu qu'il y ait un partage avec tous les autres ministères et qu'on voie comment est-ce qu'on peut, en tout cas, l'adapter à tous les ordres d'enseignement et pouvoir régler cette question Je, sais ce que le MES est en train de faire quelque part, je vous le défi de venir avec moi, nous allons exploiter toutes les propositions de nomination envoyées par les DRES et les résultats. monsieur, vous allez constater que c'est ce que les directeurs régionaux ont envoyé. Nommé comment Directeurs régionaux nommés comment Vous n'avez pas la parole, Issoufa. Non, mais je crois que c'est mon tour de parole. Le DG n'est pas patient. <laughs> Monsieur le directeur général, Mohamed Je n'ai pas fini les défis dont je parle. Euh, des, je vais parler d'un seul élément en, occultant les autres. La question des programmes. Ça fait aussi des années au Sénat. Parce que nous, nous avons un pédagogique et le C qui réfléchit sur et fait des propositions sur le système éducatif. Nous avons dénoncé les programmes de 1988. Ça fait des années et en rencontrant le ministre des enseignements primaires, il peut le confirmer. Nous sommes au secondaire. J'arrive. Chaque fois, tu retournes au primaire. Il ne faut pas prendre l'ensemble. Nous, maintenant, nous sommes dans un système holistique, monsieur le DG, et vous le savez on ne peut pas résoudre. le problème du système. on, trouvera, on trouvera d'autres on trouvera d'autres tribunes. Tout à fait, tout à fait. J'arrive. Tout à fait. mais je, on ne peut pas parler du secondaire sans parler du primaire. Je retourne au primaire parce que quand il faut que je puise mon argument du primaire pour parler du secondaire, je l'ai fait. Et quand il faut que je puise mes ressources du secondaire pour parler du primaire, mais je l'ai fait. Je crois que je suis en train de balancer. En parlant du problème de 1988, je n'accuse pas le secondaire. Mais quand j'ai dit que les, problèmes qui ont amené au mauvais résultat, parce que c'était ça la question, ils sont lointains. Et les lointains du secondaire, c'est où C'est pas le primaire ceux qui partent chez vous, ils viennent d'où Du primaire. Le programme de 88, nous l'avons dit, pas seuls, ils ne sont pas les seuls à, mettre, à être mis en cause. Il y a aussi le pilotage et la gouvernance après l'adoption des programmes de 88, parce que les enseignants qui sont censés enseigner ce programme n'ont jamais été suffisamment recyclés. Ils n'ont jamais été effectivement recyclés parce que le partenaire de dehors n'a pas donné d'argent. Et l'État a pensé que ce n'est pas son problème, il peut laisser tomber. Et il y a eu la catastrophe. Il y a eu les tâtonnements dans les classes. Parce que le programme de 88 était surchargé, nous l'avons dit. Ça fatigue l'enseignant, ça fatigue l'élève. Vous savez quand est-ce qu'on a commencé à les mettre en œuvre Le programme de 96. 96 J'arrive Non, nous sommes là-dessus. Ces programmes-là ont fait que le niveau des élèves du primaire a complètement chuté. Vous recevez quoi Quand le primaire envoie au secondaire les élèves en sixième, on en renvoie combien Plus de 60% retournent dans la rue. Donc, la baisse du niveau va se reporter. Les problèmes du primaire se reportent au secondaire. Et malheureusement, malheureusement, nous savons comment ça se passe, monsieur le DG. Malheureusement, ça se reporte au collège, ça se reporte au primaire, en au lycée en s'aggravant. Je crois que cette chaîne de problèmes, si on ne l'arrête pas, on a beau faire des discours, ça ne va pas changer. Et je suis heureux de constater que le ministère des enseignements est en train de modifier, complètement élaguer les programmes de 88, en espérant que vous allez sentir les effets positifs. Monsieur, le, le, directeur Mohamed Oumedaji, quels sont vos conseils, appels ou recommandations à tous les acteurs du système éducatif nigérien pour la stabilité et un bon déroulement de l'année scolaire 2019-2020 au Niger L'appel que je vais lancer, c'est qu'il faut que tout le monde, tous les acteurs comprennent que l'école, c'est une affaire de tous. C'est l'affaire de tous et que les syndicats, la famille, les parents, les élèves eux-mêmes, les enseignants, les administrateurs, tous ensemble, nous devrons œuvrer pour que nous puissions travailler de façon à ce que le système éducatif se développe et donne à la société ce dont elle a besoin. Parce que tant que tous nous ne prenons pas conscience que le développement de la communauté, le développement de la société vient de l'école, vient du produit de l'école, tant que nous ne prenons pas conscience et que chacun puisse apporter sa contribution pour ce produit final-là, nous ne rendrons pas service à la communauté. Alors, j'appelle au bon sens des uns et des autres pour que nous travaillions ensemble et que l'école se développe dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt de la société. Le secteur de l'éducation au Niger est confronté à différents défis qui affectent les progrès déjà réalisés. C'est pourquoi les actions de l'État nigérien, celles des partenaires techniques et financiers et des partenaires sociaux doivent concourir à améliorer les capacités et les performances qualitatives et quantitatives du système éducatif nigérien. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Mahamadou Maïdaji, directeur général des formations, examens et concours au ministère des Enseignements secondaires, et Issoufou Artika, secrétaire général du syndicat national des enseignants Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.